Ben, avion le bu éthiopien mako mom mu dem mu am problème technique moteur moteur bi djel safara mu dem procédure en toute sécurité pompier yi nga sen la pour fay safara lu jëm ci aviation ñu def sori parce que bu amé am enquête enquête bi continuer passagers yi ñoom compagnie bi ñoo koy jël en charge dem leen yóbbu fi ñu leen war a yóbbu parce que am nañ procédure pour loolu. seen liggéey la dañ leen former tàggat leen jox leen les moyens ah di leen surveiller ñuy former wu régulièrement di def ay exercices donc c'est normal seen liggéey la te def nañ ko alhamdulilah sauver des vies humaines sauver du matériel jàmm ne ñooy ñu ngi ci sant yàlla. Un Boeing 767 Pian Airline a décollé de, Dakar hier matin aux alentours de 8h30 et euh, après son décollage, il a subi un feu moteur. Donc le feu moteur a été maîtrisé par l'équipage, le commandant de bord a éteint l'incendie avec le système euh, d'extinction de l'avion et ensuite c'est euh, a fait demi-tour pour se reposer sur l'aéroport, ce qu'on appelle un QRF dans notre jargon. L'avion euh, a coordonné avec la tour de contrôle, avec le contrôle aérien et les pompiers d'aéroport. Il s'est ensuite posé sur la piste et a dégagé sur un des taxiways où l'attendaient les pompiers de l'aéroport Blaise En coordination avec la tour et les pompiers, euh, le commandant a demandé une extinction euh, pour préserver l'appareil et ses passagers. Et donc, les pompiers ont procédé à cette extinction et qui s'est passée dans de très bonnes conditions. Donc, nous avons entendu des des choses qui ne reflètent pas la réalité et nous le déplorons car nous sommes vraiment très heureux du dénouement de cet accident. Euh, malgré le feu, grâce à la maîtrise et au sang-froid de l'équipage et grâce au professionnalisme des équipes qui sont sur l'aéroport, le contrôle aérien, les pompiers, mais aussi les équipes d'assistance et du gestionnaire, tout s'est bien passé euh, pour euh, sauver cet appareil et préserver les 90 vies qui étaient à bord. Ensuite, les passagers ont été pris en compte et en lien avec la compagnie éthiopienne, ils ont été soit réacheminés dans l'après-midi par d'autres vols, soit ils vont reprendre un avion aujourd'hui, je pense, euh, après avoir séjourné à l'hôtel. Une enquête est en cours et ce sera Ethiopian Airlines qui pourra répondre à cela.